Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'écouter le forum du studio Kalangou au micro Mohamed Maman. Vous recevez ce forum grâce à un réseau de 52 radios partenaires sur l'ensemble des huit régions du Niger. À Maradi, ce forum est diffusé sur les ondes de la radio Garkwa 107 MHz et la radio Saronia sur les 102 MHz. L'émission d'aujourd'hui porte sur l'importance de la vaccination dans la réduction de la mortalité chez les enfants à Maradi. Depuis l'invention du vaccin en 1881 par Louis Pasteur pour éradiquer plusieurs maladies, la vaccination reste de nos jours la seule arme selon les spécialistes pour lutter contre les maladies. Si c'est le lomès, la variole humaine est définitivement éliminée de la surface de la Terre, des maladies comme la méningite, la rougeur ou encore la poliomyélite sont encore combattues. Et ces maladies font des millions de morts chez les enfants au Niger pour protéger les enfants, le gouvernement décide de renforcer son programme de vaccination chez les enfants de 0 à 23 mois et les femmes enceintes dans les régions de Zender, Maradi et Difa à travers un protocole d'accord signé avec Gavi, Alliance du vaccin et plusieurs fondations. Ainsi, à Maradi, sur la période de janvier à juin 2022, 79% des nouveaux nés ont reçu le vaccin BCG contre la tuberculose pour la vaccination de routine de Penta 3 qui protège l'enfant contre cinq maladies. 613 enfants ont été vaccinés sur une cible attendue de 8028 enfants, soit un taux de 70%. Des chiffres certes encourageants, mais beaucoup reste à faire car beaucoup d'enfants échappent à la vaccination du fait de la négligence des parents, augmentant les risques de décès chez ces enfants. Quelle est l'importance de la vaccination chez l'enfant Quels sont les types de vaccination et leur période pour protéger complètement l'enfant Pourquoi les indicateurs de la ville de maladie sont au rouge Quelles sont les mesures prises pour redresser la barre afin que tous les enfants cibles soient atteints Autant de questions que nous allons poser au coordinateur départemental des immunisations de maladie, M. Ndungas Laoli, et Hajia Aisha au service de la consultation prénatale du CSI 17 port de Maladie. Débutons cette émission par la réaction de Dr Saadatou Iliassou, responsable du centre de santé intégré Zaria 2, qui nous parle de la vaccination de routine dans son centre. Il y a un programme de vaccination pour le pays qui consiste à protéger les enfants contre les maladies évitables par la vaccination, donc euh, dès la naissance jusqu'à 23 mois. C'est une activité phare au niveau du CSI. Donc euh, dès la naissance, l'enfant au centre de santé avant même de sortir reçoit les premières vaccinations, c'est-à-dire le BCG, et la polio orale. C'est des activités qu'on fait chaque jour, du lundi au vendredi, les jours ouvrables. C'est de 8h à 17h30. C'est vrai, il y a toujours des petits problèmes sur la vaccination, mais quand même, on arrive à avoir les femmes qui amènent leurs enfants grâce à la sensibilisation qu'on ne cesse pas de faire chaque jour. Aussi, même celles qui ne viennent pas, nous, on a des stratégies qu'on adopte pour aller à la recherche de ces mères là qui n'amènent pas leurs enfants. Ce sont les sorties qu'on fait dans les quartiers pour chercher les enfants qui ont raté leur rendez-vous ou bien les enfants qui n'ont même jamais même reçu eh, des vaccinations, c'est-à-dire c'est des enfants qui sont nés à la maison. Donc euh, après, les mamans ne se sont pas présentées à l'hôpital. Donc, euh, on essaie d'aller chercher ces enfants-là pour pouvoir les protéger contre ces maladies, les administrer leur vaccin et pour qu'ils aient la, protection. Donc, c'est les sorties qu'on fait quatre fois dans le mois. En dehors de ça aussi, il y a la vaccination fixe qui se fait chaque jour et les séances de sensibilisation, les réunions qu'on fait dans les quartiers. On profite à travers ces réunions-là, sensibiliser même les pères, puisque si on arrive à avoir l'accord des pères, peut-être ça va beaucoup nous aider à retrouver ces enfants-là. Il y a beaucoup d'avancées par rapport aux années antérieures, même si chaque année le nombre d'accouchements augmente, mais quand même si on essaie de faire eh, les pourcentages, il y a vraiment des avancées sur les années antérieures. Beaucoup de partenaires ont intervenu dans la vaccination. Vraiment, il y a des améliorations qui sont faites, mais ça ne veut pas dire qu'on a atteint nos objectifs. On essaie de causer avec les femmes pour savoir qu'est-ce qui tourne autour du fait qu'ils ne respectent pas les rendez-vous. Donc, euh, ce qu'on a eu à comprendre, il y a vraiment l'ignorance jusque-là. Beaucoup de femmes n'ont pas encore compris l'importance de la vaccination. En dehors de l'ignorance, il y a aussi la négligence des mères. Il y a des mères qui sont vraiment négligentes, malgré qu'elles connaissent cette importance-là. La négligence fait en sorte que... La date va arriver. Oui, elle, va s'en passer, elle va, elle va, oublier même que c'est son rendez-vous. En dehors de ça, il y a aussi des femmes qui sont occupées par leur petit commerce, qui pensent qu'il vaut mieux euh, rester chercher son argent que de venir amener son enfant à la vaccination. Nous venons donc de suivre la responsable du centre de santé intégrée de Zaria 2 par rapport à la vaccination de routine, de routine dans son centre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Aja Aisha, vous êtes euh, du service consultation prénatale au niveau du CSI 17 Porte. Quelle réaction cette intervention de la responsable du CSI Zaria 2 Bonsoir. Je la félicite pour pouvoir vous-même vouloir répondre et intervenir dans ce sujet-là. Ma réaction personnelle, donc, c'est vraiment ce sont des responsables, ils ont commencé à penser comment y remédier. Elle a parlé de toutes les possibilités pour faire venir les femmes avec leurs enfants au poste de consultation et de vaccination. Et il y a même des sorties qu'elles ont organisées par le quartier. C'est quatre sorties par mois. Et la séance de vaccination est, est, faite tous les jours ouvrables de 8h à 17h. Donc vraiment, c'est une bonne chose, n'ont cap persévérer de la manière pour pouvoir atteindre et couvrir la population de leur r de leur, de Merci Hadja. Euh, vous, monsieur le coordinateur Effectivement, comme le euh, docteur l'avait dit, pour l'appuyer à différentes stratégies qui sont mises en place pour récupérer les enfants non ou insuffisamment vaccinés. Alors nous allons, nous allons, avant de parler des stratégies, la réaction de son intervention Bon, effectivement, comme elle a dit, elles sortent vers les quartiers. Les vaccinations sont organisées au niveau des sites CSI et ils vont vers la population encore pour continuer à faire des sites de vaccination. Cela crée la confiance proche vraiment de cette population. Et cela crée la confiance Et c'est malgré tout, il y a vraiment des enfants qui restent encore, qui ne sont pas vaccinés ou qui sont insuffisamment vaccinés. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Euh, vous êtes au service euh, chargé de vacciner les enfants chaque matin. Dites-nous en quoi consiste votre travail euh, chaque jour. Avec vous, Hajia Nous, au niveau de la CPNR, chaque matin, on a un porte-vaccin, on prend les vaccins auprès de la responsable qui gère les antigènes. Et une fois on commence le travail, on a affaire à vacciner toutes les femmes enceintes qui sont en âge de procréer dans le site. Donc si c'est pour la première fois que la femme est venue à la consultation prénatale, on s'entretient avec elle pour pouvoir avoir, si elle a eu accès, contact avec le vaccin au moins pendant sa vie, si elle détient la carte, on reporte sur le canet après avoir fini, puisque c'est un acte préventif. Comme le nom l'indique, la consultation est prénatale, elle aussi, elle elle est préventive. On vérifie la fiabilité de cette couverture si les dates vraiment sont considérées légales, on reporte. Dans le cas échéant, si on est devant une femme qui a déjà accouché une ou deux fois encore, ou plusieurs fois, on lui demande si elle détient les anciens dossiers de ses grossesses antérieures. Elle nous remet. On vérifie encore le calendrier avant de lui administrer. Dans le cas échéant, on conseille à la femme au retour de revenir avec tous les anciens carnets ou dossiers de vaccination qu'elle détient. Et ça, c'est chaque jour que vous ça C'est chaque jour et c'est à chaque femme. À quel moment commence donc la vaccination chez l'enfant Chez l'enfant, c'est dès la naissance. Mais comme on parle de la grossesse ici, c'est la consultation prénatale. La prévention vient en amont. Le vaccin antitétanique administré à la femme pendant la grossesse a un but de prévenir les tétanos néonatal sur le futur nouveau-né. Donc ça veut dire que l'enfant, il est vacciné dès euh, qu'il est dans le ventre de sa maman. Il a reçu l'antigène de, de, dès pendant la grossesse si la femme a été bien suivie et on a vérifié le calendrier vaccinal. Elle n'en a pas vérifié, on lui administre avant de sortir et c'est gratuit, c'est tous les jours de 8h à 17h30. À l'occasion de sorties puisque les sorties du programme élargi là, c'est fait ensemble, tous les antigènes, on sort ensemble aussi, on part dans les quartiers avec les mamans allaitantes avec leur bébé et aussi les autres femmes enceintes peuvent utiliser les sites des quartiers. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Monsieur le coordinateur, euh, nous allons parler de l'importance de la vaccination de l'enfant. C'est quoi l'importance de la vaccination euh, chez l'enfant la, vaccination protège l'enfant contre plusieurs maladies. Les maladies qui sont cibles du programme élargi de vaccination, au niveau national. Et quand l'enfant est vraiment a reçu ses doses, il est protégé. Et cet enfant qui reçoit les vaccins que nous sont à notre disposition, d'après le programme élargi de vaccins, c'est 0, de 0 à 11 mois. Et il y a plusieurs antigènes qui sont administrés, dès la naissance jusqu'à l'âge de 11 mois. Et au-delà de, de 16 à 23 mois, il y a une autre seconde vaccination qui protège l'enfant. Alors, euh, Monsieur le coordonnateur, euh, comment se présente la situation de la vaccination des enfants à Maradiville bon, À Maradi, vraiment, la vaccination des enfants, on peut dire que, comme vous l'avez dit précédemment, nous sommes au rouge. Parce que d'après le programme national, c'est de vacciner 95% des enfants de 0 à 11 mois. Et nous n'avons pas jusqu'à présent atteint cet objectif. Quand une population de 0 à 95% est protégée et vaccinée, Vraiment, en cas d'épidémie, il n'y a pas de, souci. La population est protégée. Donc nous sommes loin de cet objectif. Donc euh, si on prend l'année passée, de janvier 2021 à juin 2021, on était à 87%. Donc on veut atteindre, notre souci, c'est même les 100% des enfants et non les 95%. Donc il nous reste beaucoup à faire. Et par rapport à cette année, on est à 79%. Vous voyez, donc la fréquentation s'attend à diminuer. Donc il y a plusieurs facteurs, on ne sait pas qui interviennent dans cette euh, situation. situation. Alors depuis plusieurs années, le Niger a euh, mis en œuvre son programme élargi de vaccination. Mais comme vous l'avez dit, la vaccination reste un défi. Hmm. Pourquoi Oui, c'est un défi à relever parce que protéger l'enfant, c'est le, les enfants sont les terrains les plus sensibles. Donc il faut les protéger contre certaines maladies ou des maladies épidémiques. Donc c'est ça la vision. Et il y a des maladies qui sont source d'épidémie et qui sont mais qui sont évitables par la vaccination. Donc c'est dans ce cadre donc, que le Niger a mis en place le programme élargi de vaccination avec l'appui des partenaires pour vacciner les enfants de 0 à 11 mois, donc vacciner jusqu'à 95% des enfants ciblés. Alors, euh, ces, enfants sont vaccinés euh, pour quelles maladies Les différentes maladies cibles du peuple sont la tuberculose, la poliomyélite, le tétanos, nous avons la coqueliche, la diphtérie, l'hépatite B, les infections à hémophilus influenza type B, la rouge jaune, la fièvre jaune, les infections à pneumocoque, les diarrhées à rota, la méningite et aussi à l'administration de la vitamine A contre la cécité. Voilà les différentes maladies qui sont visées par le peuple. Alors, comment sont structurées euh, les activités pour la vaccination de routine au niveau des centres de santé intégrés au niveau des centres de santé, les vaccinations de retour, c'est du lundi au vendredi, c'est chaque jour. Ça, c'est au niveau fixe. Mais il y a d'autres stratégies qui sont donc les périurbains, qu'on appelle, donc, qui consistent à des équipes du CSI de sortir vers la population, se rapprocher plus de cette population pour chercher ces enfants qui ne sont pas vaccinés. Et ensuite, en cas de campagne de vaccination, il y a les porte à porte. Voilà les différentes stratégies qui sont mises en place pour vraiment vacciner les enfants de 0 à 11 mois. Monsieur le coordinateur, la ville de Maradi, comme nous le savons, dispose de plusieurs centres de santé intégrés. Est-ce un atout dans l'atteinte des objectifs, ceux de vacciner au moins chaque année 90% des enfants ciblés Oui, parce que le Maradi ville compte 11 euh, CSI qui vaccinent, à part les structures privées et semi-privés, tels que la Caisse nationale de sécurité sociale et certaines cliniques qui vaccinent. Vraiment, c'est un atout pour atteindre vraiment cet objectif. Parce que d'autres n'en ont pas ces structures privées qui vaccinent. Alors que nous, nous avons vraiment la chance de les avoir et ils nous aident beaucoup dans ce sens. Adja, je vais, me tourner vers vous. Euh, comme nous le savons, on, on dit que la vaccination peut être un facteur de réduction de la mortalité chez les enfants, n'est-ce pas euh, Comment cela peut se traduire Pourquoi on dit que la vaccination peut être un facteur de réduction de la, mortalité chez l'enfant Ça, ça peut se produire si les parents acceptent à sortir et à recevoir leur dose de vaccination. Surtout pour ceux qui nous concernent, il faut que la femme accepte de sortir pour faire la consultation prénatale. À ce moment même, dès, dès ce stade, on commence à vacciner la mère et c'est un antigène qui est administré qui a un objectif d'aller couvrir même le bébé in utero avant même la naissance. Donc, et puis dès la naissance, on commence à par le BPO 0 et le VCG. Donc il faut connaître vraiment euh, l'accord des parents. qu'il il faut que, les femmes acceptent à sortir et aller faire les consultations pour qu'on arrive à leur dresser le calendrier ou de mettre leur calendrier à jour avant qu'elle accouche. Donc euh, le fait de vacciner la femme enceinte, euh, peut-être euh, un facteur pour protéger l'enfant des maladies qui peuvent le, tuer. Surtout le tétanos néonatal. Si c'est bien fait et que le calendrier est respecté, en tout cas, c'est un objectif qui protège la mère contre le tétanos et le nouveau-né futur contre le tétanos néonatal. Alors, monsieur le coordinateur, comment euh, votre service s'y prend pour une meilleure vulgarisation des méthodes et pratiques pour l'amélioration de la santé de l'enfant Qu'est-ce que vous faites pour euh, améliorer euh, cette pratique L'amélioration de cette pratique consiste donc à, les, à part les différentes stratégies de vaccination, il y a des stratégies de mobilisation sociale. Il y a des stratégies de sensibilisation que nous allons vers cette population, qui sont les réunions des quartiers, on utilise des crières lors des vaccinations au niveau des quartiers pour crier. Donc ces stratégies, nous, malgré tout, on est, notre chiffre est vraiment bas pour la mobilisation. Donc ce n'est pas les facteurs qui influent sur, ce, sur la non-vaccination de ces enfants. Alors quel est le carnet vaccinal de l'enfant À quel moment euh, on vaccine et comment se fait euh, la vaccination Est-ce qu'on fait euh, tous les vaccins au même moment ou bien c'est échelonné à des périodes bien précises Effectivement, le vaccin ne s'administre pas tous en même temps. Ça se fait à des périodes. Mhm. Par exemple, quand on parle le BCG et le VPO, c'est dès la naissance. Dès la naissance, avant de quitter la maternité, l'enfant doit recevoir son BCG et son VPO0. Et à 6 semaines, la naissance, il reçoit son Penta, son VPO1, le pneumo 1 et le Rota 1. Et à 10 semaines, on lui fait la même chose, le Penta 2, le Rota 2, le pneumo 2, le VPO 2. Et à 14 semaines, encore, il reçoit son Penta 3, le pneumo 3, le VPO 3, plus le VPI. Et à l'âge de 6 mois, il reçoit la vitamine A. Et à l'âge de 9 mois, il reçoit le VAR contre la rougeur, le VAR 1, le VAA, le MENA et le VPI2. Et à partir de, de 12 à 18 mois, il reçoit sa deuxième dose de vitamine A. Et à partir de 16, du 16e mois jusqu'à 23 mois, il reçoit son VAR 2. Donc le var qui contribue beaucoup à protéger l'enfant pour cette deuxième dose. Donc à partir de ce moment, l'enfant il est totalement vacciné. Il complètement vacciné. Un enfant totalement vacciné est-il à 100% immunisé Oui. En tout cas, à 100%, il est immunisé contre ces maladies. Mm. À part la, vaccination de routine que vous faites, euh, il y a d'autres euh, vaccinations dont profitent les enfants oui, les vaccinations de masse. Par exemple, lors des campagnes de vaccination polio, rougeole, méningite qui s'organisent au courant de l'année. Donc aussi, ça contribue beaucoup à protéger les enfants. Et cette vaccination euh, permet euh, à l'enfant de rester en vie, de ne pas euh, vite mourir avant, avant... on ne peut pas vite mourir, mais on protège l'enfant quand même contre ces maladies, puisqu'on sait que ces maladies sont source de morbidité et de mortalité. Ils peuvent même causer des, des handicaps. Par exemple, la Par exemple, oui, oui. Donc, mais quand l'enfant reçoit cette vaccination, vraiment, on pense qu'il est complètement protégé. La vaccination est, comme vous venez tous de le démontrer, un moyen sûr de protéger les enfants de certaines maladies qui peuvent mettre en péril leur vie. Mais il se trouve que la situation reste problématique malgré que les indicateurs aient connu une amélioration par rapport aux années antérieures. Monsieur le coordinateur, pourquoi maladie reste une préoccupation pour vous, surtout Maradi-Ville Prenons nos chiffres, nos indicateurs. On n'est que vraiment en deçà de l'objectif national. Donc il y a une couverture de 95% qu'il faut attendre nous ne sommes pas à ce niveau. Donc vraiment, ça fait nous interpeller à tout moment. Pourquoi cette vaccination est devenue problématique Pourtant, on est en ah. ville. Pourtant, nous sommes en ville et nous sommes dans un rayon de 0,5 km. Donc, il n'y a pas de distance à parcourir. Pourquoi certaines femmes euh, qui commencent bien la vaccination de leurs enfants se perdent de vue oui, effectivement, ces difficultés sont beaucoup d'ordre. Parce qu'il y a des femmes qui sont là et l'enfant reçoit sa première vaccination. On lui donne le rendez-vous dans six semaines et la femme ne vient pas. Et par rapport à ça, il y a la stratégie que nous appliquons des périurbains qu'on va vers cette population. Et ça vous permet de retrouver ces enfants Pas tous. Pas tous. On arrive à gagner ces enfants. Mais ce qu'on demande aux femmes, pourquoi ne pas venir faire vacciner ses enfants, deux fois, c'est les préoccupations, les travaux ménagères, les petits commerces ils empêchent aux femmes vraiment de venir se faire vacciner. Tu devant la porte de quelqu'un pour le faire vacciner, tu fais rentrer un relais pour mobiliser, elle va donner à son petit ou à son grand frère, le petit frère, pour l'amener. Alors que la femme est à l'intérieur de la maison. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Vous voyez donc vraiment, c'est des difficultés comme ça que nous rencontrons. Quel danger pour un enfant qui ne finit pas totalement toutes ses vaccinations Un enfant, il a des risques de contracter la maladie quand il ne finit pas toute sa vaccination. Il risque de contracter. Et en cas d'épidémie, ce sont les premières victimes. Alors, Haja, je vais me tourner vers vous. Euh, comme je le disais, vous êtes euh, au service de la consultation prénatale. On dit le plus souvent que c'est le mauvais accueil qui pousse certaines femmes à ne plus revenir. Vous êtes d'accord avec euh, cela On peut être d'accord, mais comme on peut dire non, la majorité, si on parle du service, d'accord, mais il y a aussi l'ignorance même de chez les femmes de connaître l'importance même de la vaccination, le pourquoi même de la consultation et on profite de ça pour faire la vaccination pour prévenir les tatanas la femme et son enfant. de deux aussi, il y a l'ignorance encore qui le conduit à, mal conserver les documents. Et il y a des cas où les femmes, en cas de séparation ou de, de divorce, elles laissent les anciens carnets de l'autre côté. Donc vraiment, il y a plusieurs facteurs. On ne peut pas directement c'est basé sur un seul problème. Effectivement, une femme qui vient s'incarner mhm. ou bien qui vient avec un carnet dépassé, c'est des problèmes pour vous. puisque il faut avoir la qualité. C'est pas faire piquer que nous cherchons. Nous, nous cherchons à ce qu'on protège cette femme une fois elle a reçu sa dose, sa dose de vaccin antitétanique. Donc, par ignorance, elle elles vont dire que moi j'ai accouché plusieurs fois. Est-ce que j'ai l'intérêt et surtout si l'enfant a dépassé l'âge de suivi du, calendrier vaccinal jusqu'à 23 mois, elle a eu une autre grossesse. Pour elle, est-ce que ce n'est pas important de conserver ce dossier alors que nous, la vase commence dès la consultation prénatale, on va savoir où on s'est arrêté. Et cette dame-là est à quelle dose avant de quitter la CPNR pour continuer la chaîne de suivi de son enfant en consultation de nourrition ou en sortie stratégique urbain avancé. C'est-à-dire que conserver son carnet, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important puisque chez la femme en âge de procréer, pour qu'on suppose qu'elle est protégée contre le tétanos, il faut qu'elle ait accumule cinq vaccinations et selon un calendrier bien établi par le programme élargi de la vaccination. C'est un programme national. Euh, la répétition de la vaccination peut être aussi une forme de lassitude pour les mamans Oui, Puisque si la femme ne sait pas le pourquoi, elle peut se mettre en tête qu'on lui en a fait trop. Et c'est pour cela que nous, nous cherchons à avoir le premier document pour voir sa fiabilité avant de continuer, puisqu'il y a une limite. On a besoin d'administrer cinq doses. Et les cinq doses, ce n'est pas le même jour, ou ce n'est pas la même semaine, ou ce n'est pas le même mois. La première injection antitétanique du vaccin, c'est fait chez la femme en âge de procréer. Et c'est Quatre semaines plus tard ou un mois, qu'on fait la deuxième. La troisième, c'est six mois plus tard. La quatrième, un an plus tard après la troisième vaccination. La cinquième, un an plus tard après la quatrième vaccination. Donc, il faut que la femme enceinte ou la femme en âge de procréer contribue à conserver ce document, puisqu'il y, a des campagnes où on fait des sorties, on, établit même des cartes de vaccination. S'il y a une, masse, une vaccination de masse, on fait des cartes de vaccination chez toutes les femmes en âge de procréer. Donc, on leur conseille de conserver. Alors que d'une grossesse, si elle présente, donc déjà, elle a, eu a les premières doses, on va faire les rappels pour fortifier et rassurer la couverture. Euh, au niveau aussi de la vaccination de l'enfant, la répétition peut être euh, euh, un motif de, relâchement chez la femme À ne plus même amener son enfant parce qu'elle va se dire on l'a tellement piqué que l'enfant peut-être est protégé Effectivement, ça peut être source parce qu'il y a des femmes qui se plaignent de beaucoup d'injections à l'enfant. Aujourd'hui, une femme amène son enfant, elle lui fait trois injections. Elle rentre à la maison malgré les, conseils que, au niveau de, de structure qu'on donne. Elle rentre à la maison, elle n'a pas pu dormir, l'enfant a pleuré toute la journée. Demain, elle se tente vraiment influencée, elle peut pas. Ça fait source vraiment de refus pour certaines femmes. Qu'est-ce que vous faites pour euh, garder les femmes concentrées sur la santé de leurs enfants eh on continue à sensibiliser à tous les niveaux. Chaque matin, avant de commencer la vaccination au niveau des centres de santé, il y a des séances de sensibilisation. On montre l'importance de la vaccination. Mhm. Quand tu fais la, balance entre un enfant, la vaccination qui se fait gratuitement, et un enfant qui tombe malade, ce que tu vas dépenser, ici c'est gratuit et là-bas tu vas dépenser. Quand on fait la balance, donc vraiment, les les femmes doivent faire ce rapport-là, vraiment pour amener les gens, les enfants, pour amener leurs enfants à la vaccination, malgré tout. Mais est-ce que sur le coût, elles font ce calcul C'est ça surtout la difficulté. donc, c'est de faire cette balance. Ils font le coût, si c'est euh, la personne à la charge de l'enfant, vraiment qui fasse, cette balance. voilà, ça c'est gratuit. Et quand un enfant tombe malade, voilà ce que je vais dépenser ça te mobilise, ça mobilise les voisins, ça mobilise les frères et sœurs, ainsi de suite, vers ce, temps, ce malade. Vous voyez ce que ça va coûter. Mais quand tu fais la balance, tu peux venir gratuitement, on te fait la vaccination. Alors, hmm. monsieur le coordinateur, quelle place occupe la communication dans la sensibilisation des femmes sur l'importance du respect du carnet vaccinal de leurs enfants La sensibilisation, vraiment, c'est si la femme, la sensibilise et qu'elle comprend l'importance de la vaccination, je crois qu'on n'a pas besoin d'aller la chercher. D'elle-même, elle va venir au niveau du centre de santé ou des sites de vaccination pour faire vacciner son enfant. Est-ce que la rupture de certains vaccins, euh, comme nous le savons, le BCG, souvent des, nouveaux nés peuvent faire euh, plusieurs mois euh, sans, sans, être vaccinés, est-ce que cela décourage quelquefois les mamans Non, ça, par rapport aux ruptures, on n'a jamais eu de rupture de BCG. Donc par rapport aux vaccins, euh, mm. pratiquement en tout cas tous les vaccins sont, disponibles. au niveau d'un centre de santé. Nous avons vu des femmes faire euh, des, problèmes hein, par rapport à la distribution des moustiquaires parce que peut-être elles n'ont pas eu, euh, elles vont faire de ça un problème. Est-ce que c'est des difficultés auxquelles vous faites face régulièrement Si, ça arrive. Mais vous savez, maladie grande communauté. Donc vraiment, on n'y aura pas de règles sans exception. Ça arrive, mais comme c'est à la CPNR, la CPNR, s'il y a les moustiquaires, dès la première consultation, nous, on délivre gratuitement à la femme enceinte avant de sortir. Elle sort avec son carnet, même si son calendrier, c'est ce rendez-vous qu'on va ajuster ça. Elle, elle va sortir avec sa moustiquaire imprégnée. Le programme Pali apporte, il y des moments où on nous amène et c'est donné gratuitement. Monsieur le coordinateur, vous, vous êtes le, responsable de, la vaccination. Euh, est-ce que ce problème de, moustiquaire qui a été soulevé à un moment donné vous a posé beaucoup de problèmes Oui, nous rencontrons quelques rares cas quand on va surtout lors des campagnes de vaccination, d'amener, de faire sortir les, enfants pour les vacciner, les gens vont dire, ah, vous avez distribué des moustiquaires, moi j'ai pas reçu. Pourquoi je vais donner mon enfant Je suis parti au niveau du centre de santé pour un palu, on m'a donné des ordonnances. Pourquoi Moi je ne donne pas. Et ça, c'est vraiment, une méconnaissance, je crois. Sinon, il n'y a pas de rapport. Il n'y a aucun rapport par rapport à ça. Sinon, pour protéger ton enfant, la moustiquaire là, ça coûte combien Mhm. Alors que ce que tu vas dépenser quand ton enfant tombe malade, c'est ça qu'il faut faire la balance des choses, faire la part des choses. Pour raisons de moustiquaire, tu ne demandes pas ton enfant pour la vaccination. Pour des raisons d'ordonnance ou quelque chose, un problème avec un autre, secteur ou une autre unité de, de, du service de santé, tu ne donnes pas ton enfant pour la vaccination. Alors que nous, au niveau de nos services, on veut même l'intégration. Si tu viens pour une autre maladie, on consulte. La femme doit amener son carnet de vaccination, le carnet de vaccination de, l'enfant. Et on vérifie. S'il n'a pas été vacciné, s'il y a des antigènes qu'il n'a pas reçus, ils le prennent en charge pour sa maladie et lui disent, leur conseillent à la femme vraiment d'aller au niveau des unités de vaccination pour que son enfant puisse bénéficier. Euh, en, début d'émission, euh, nous avons suivi la responsable du CSI Zaria 2 qui parle des enfants qui n'ont jamais été vaccinés parce que c'est des enfants qui sont nés à la maison. Alors, comment vous faites pour euh, gérer ce cas aussi Nous, au niveau du service de vaccination, c'est sans discrimination, sans distinction. Tout enfant qui arrive au niveau du service de la vaccination, on le vaccine. il y a des enfants également qui ne sont pas vaccinés c'est pas parce qu'ils sont, sont, nés à la maison, mais c'est parce qu'il n'y a pas la volonté vraiment de les amener, de les approcher des centres de santé. Est-ce que ces enfants qui sont vaccinés, euh, euh, peut-être tardivement, parce qu'ils n'ont pas été vaccinés dans, le temps, euh, ou bien risquent de ne pas être totalement vaccinés C'est-à-dire la stratégie du programme élargi de vaccination, c'est de 0 à 11 mois. Un enfant peut dépasser au-delà de 5 ans. Donc 5 ans, si ce n'est pas un par les campagnes, il dépasse la, stratégie, le, programme élargi de vaccination. Donc il va rater, certaines, il euh, il va vaccinations. rater certaines vaccinations. Sauf s'il y a des vaccinations de masse, là où il y a des stratégies ou des, cibles de 0, on dit de 0 à 5 ans, de 3 à 7 ans, jusqu'à 7 ans. Donc l'enfant peut bénéficier. Ça c'est dangereux. dès qu'il dépasse les 2 ans, là, donc il pas dans le programme élargi de vaccination. C'est dangereux. C'est dangereux pour, cet enfant. Eh, c'est un enfant vraiment qui est, qui exposé. C'est un enfant qui est exposé, effectivement. Mais la vaccination a montré quand même. Euh, euh, c'est bien fait. Un enfant bien vacciné. Un enfant bien vacciné, oui. il est protégé. Donc quand tu le vois, il y a vraiment une différence. Hein un enfant bien protégé et un enfant qui n'a jamais reçu de vaccination. Nous avons passé en revue l'importance de la vaccination des enfants, constituant ainsi un rapport à la réduction de la mortalité chez l'enfant. Nous avons également parlé des difficultés que vous, agents de santé, rencontrez dans cette activité. Avant euh, de continuer sur les stratégies de communication euh, que vous utilisez pour amener les femmes à comprendre l'importance de la communication, nous allons écouter les stratégies de communication avec le communicateur du district sanitaire de la ville de Maradi, votre collègue Moussa Danladi. Comme entre autres stratégies, nous utilisons la sensibilisation, la communication interpersonnelle par les relais qui passent au niveau des ménages pour sensibiliser les mères des enfants cibles pour qu'ils puissent amener leurs enfants. Donc la CIP à travers les relais au niveau des ménages. À part ça, nous faisons des plaidoyers au niveau des autorités administratives ou coutumières autour du président de la ville de Maradi pour pouvoir attirer l'attention des décideurs pour qu'à leur niveau, ils puissent prendre le relais pour sensibiliser aussi la communauté. Nous utilisons aussi, vous, les médias, qui sont un grand moyen pour pouvoir sensibiliser la population. Donc nous utilisons la radio, surtout les radios privées, les radios communautaires, la radio régionale, pour pouvoir sensibiliser la population afin d'attirer toujours les parents, notamment les mamans, à amener les enfants à la vaccination. Nous organisons aussi des dialogues communautaires au niveau des quartiers. Qui dit dialogue communautaire dit échange d'informations, échange d'idées, recherche des difficultés qui entravent la bonne marche des l'efficacité, ce qui empêche la bonne marche de la vaccination au niveau de la communauté. Donc ce dialogue communautaire nous permet avec la population de sortir le goulot d'étranglement qui empêche que les parents amènent leurs enfants à la vaccination ou complètent la vaccination. Avec toujours la radio, à part les messages que vous diffusez, nous organisons des débats interactifs au niveau de la radio pour que les gens appellent et puissent poser leurs questions et les répondre sur l'importance de la vaccination. Et ils nous disent aussi les problèmes qu'ils rencontrent au niveau de la, des agents de santé pour pouvoir, euh, pouvoir attirer l'attention des agents de santé pour qu'ils puissent et aussi améliorer leurs prestations. Nous venons d'écouter euh, la réaction du communicateur du district sanitaire de la ville de Maradi, Moussa Danladi. Monsieur le coordinateur, vous mettez les femmes relais à contribution pour amener les femmes à comprendre l'importance de la vaccination. En termes clairs, quel est le degré de leur implication, monsieur le coordinateur Effectivement, les, relais communautaires, comme nous les appelons, ils font les portes à porte et rentrent dans les ménages pour sensibiliser les parents sur l'importance de la vaccination, d'amener les enfants vers les sites de vaccination en dehors des relais, des fois, il y a des caravanes qu'on organise avec les tricycles. Ça fait partie des aspects quand même de la mobilisation et de sensibilisation à l'égard de la population. Et à des crieurs qu'on fait mobiliser quand il y a des sites de vaccination, on fait appel à des crieurs qui sillonnent le quartier pour informer la population qu'à tel endroit, il y a une équipe de vaccination qui est là. Donc faites sortir, amener les enfants pour la vaccination. Dans les centres de santé, il est initié la récompense de ces femmes relais dans la recherche des mères perdues de vue. Est-ce que cette stratégie apporte ses fruits Oui, ça porte ses fruits puisque y a des CSI qui ont vraiment organisé des stratégies pour un peu, euh, comment on peut le dire, euh, rémunérer ou bien gratifier les relais, vraiment, pour ceux qui amènent un grand nombre d'enfants, pour ceux qui ont cherché un grand nombre d'enfants. Une relais qui va dans le quartier et rentre le porte à porte. Quand il y a un nombre d'enfants important, on fait appel à une équipe qui descend pour vacciner ces enfants. Et elle, elle est récompensée Elle, elle est récompensée. Merci beaucoup. Madame euh, Haja Comment améliorer, selon vous, la couverture vaccinale Pour pouvoir améliorer la couverture vaccinale dans la communauté urbaine de Maradi, c'est toujours continuer à sensibiliser la population, amener les femmes à sortir et accepter le bienfait de ces actes-là, puisque c'est la vaccination, elle est gratuite et ça protège contre les maladies qu'on avait précitées tout à l'heure. Monsieur le coordinateur, est-ce que le cadre d'accueil est adéquat pour euh, l'atteinte des objets Oui, le cadre est adéquat puisque nous avons le vaccin est disponible. Les agents de santé sont disponibles. Maintenant, la seule difficulté, c'est d'amener les enfants au niveau du service de vaccination. Est-ce que vous êtes en train de penser à d'autres euh, nouvelles stratégies Parce que euh, pour le moment, euh, celle que vous utilisez euh, n'apporte pas totalement satisfaction ce n'est pas qu'elle n'apporte pas trop d'importance, de, satisfaction. Non, c'est que le fait de la sensibilisation, c'est une activité continue. Puisqu'il faut continuer à mobiliser cette population. Jusqu'à ce qu'à un certain niveau, qu'elle comprenne vraiment l'importance de la vaccination. En ce moment, quand la personne est convaincue que vraiment la vaccination protège, donc il n'y a pas de difficulté n'y a pas à le bousculer ou à aller le chercher. C'est lui-même, il a compris qu'il va venir vers ces centres de vaccination. Euh, dans votre domaine d'intervention, quel défi vous vous êtes fixé, vous, en tant que coordinateur des immunisations, pour améliorer les indicateurs Comme je vous ai dit, il y a la disponibilité du vaccin, il y la disponibilité du personnel et des centres de santé. C'est de continuer à mobiliser, c'est de continuer à sensibiliser cette population. Adja, et vous, quel est le défi que vous vous fixez pour euh, améliorer les indicateurs à votre niveau C'est presque les mêmes idées. Il faut continuer à sensibiliser. Il ne faut pas s'arrêter. Continuer à faire les sensibilisations au niveau de la communauté, au sein des CSI et même individuellement. Et vous êtes euh, convaincu que le jour viendra où vous atteindrez les résultats fixés grâce à Allah, Inch'Allah, ça va venir puisque la sensibilisation, c'est un fait qu'on récolte les, résultats dans l'avenir. Il y a ce qu'on récolte dans l'immédiat et il y a des résultats vraiment à moyen, court terme et long terme. Monsieur le coordinateur, vous êtes convaincu, vous Oui, parfaitement. Parce que la sensibilisation, l'effet, c'est à long terme qu'on voit malgré que les stratégies qui sont à court terme que nous appliquons et à moyen terme. Donc nous allons continuer vraiment à renforcer ce secteur de mobilisation de la population. Sinon, les enfants sont là. Et ils sont mis au monde chaque jour. Chaque Alors, euh, pour finir, euh, nous retenons qu'il est démontré qu'un enfant bien vacciné est mis à l'abri des maladies. Cependant, malgré tous les efforts, certains enfants de la ville de maladie échappent à cette vaccination, ce qui peut être une menace, non seulement pour eux, mais aussi aux autres enfants dans leur entourage. D'où l'importance d'intensifier les stratégies avant de toucher tous les enfants qui sont en âge d'être vaccinés. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre forum qui a porté sur la vaccination, un facteur de réduction de la mortalité chez les enfants maladies. Nous étions avec euh, nous étions donc avec M. Ndungas Laoli, le coordinateur départemental des immunisations de la ville de Maradi, avec euh, Hajia Aisha du service euh, de la consultation prénatale. Merci à vous tous d'avoir participé à ce forum et à bientôt.